internet Kéwoulo TV maa ngi leen ñëw di leen naan dal leen euh, ñu doon faram-fàccee fichier nga xamante ne euh, euh, bu ne moom moo di vote bu baax a baax daal di dalal ci suñu plateau Aboubacar Bengelloune ngir faram li nga xamante ne moom moo di communiqué bu tukkee ci F24 waaye itam ñëwaat ci li nga xamante ne rek moom moo di fichier bi nga xamante ne def nañu texte bi ginnaaw bi ñu ko defee ci France def

Je moo di ndax nga expliquer un petit peu lan mo waral euh, communiquer bi ñu mel. Hmm. comme nous avons ko nous une phase de test sur le logiciel bi phase de test bi ça s'est très bien passé Nous nañ même sur une partie du Sénégal il y a eu des remontées positives tout s'est très bien passé légui nak ñu ngi ci phase bu nga xamné dañ koy mettre en application alors pour que nous mettions en application nous avons le le dugg ci parce que ma rappelé le logiciel bi lan moy objectif am objectif logiciel bi moy que ñu am ay élections yi nga xamné résultat ou vote yi kenn du ko mun sàcc kenn du ko mun changer que sénégalais yi lu ñu décider moom moy am que lolu pour mu mun am deug deug dañu wara présence ci bureau de vote yëpp PV yi ñu mun ko yégué pour que nit ñi buñ koy comptabiliser ci département yi nit ci am photocopie PV yi bu ñu d'accordul ñu mun ko contester c'est devant le préfet ou le sous-préfet ou le gendarme en charge euh, du comptage. Donc ce que ko il faut que nous soyons présents partout donc les candidats nous, nous commencer à def seen représentants chercher ces représentants, ces bureau de vote Moi et madame, les mandataires <clears throat> ñun nous phase trouver les volontaires volontaires et moyens, nous toutes les personnes aujourd'hui yu participer si sincérité vote bi ñu bëgg participer participer pour que vote bi leer xéro du am réro du am et que jamm am ci dëkk bi pour que lolu am il faut que ñun ñëpp ñu mobiliser wu c'est affaire bi du affaire au candidat yi rek candidat yi ñom ñi ngi def lu ñu mun pour am ay mandataire waye ñun dañu wax mobiliser ñëpp moy manam <clears throat> dit bi nga far nga bañ far nga nga nga am possibilité nekk euh, un représentant dans un bureau de vote war nga ñëw inscrire aussi bien pourquoi nous inscrire parce que les candidats une possibilité remplir bureau de vote Je vais vous donner exemple si Sénégal en 2017 on a à peu près presque 17 000 bureaux de vote 17 000 bureaux de vote Si vous un représentant par bureau de vote un suppléant par bureau de vote ça te fait 34 000 personnes Vous nga mobiliser pour chaque candidat ce qui être représenté partout nga boole si nga am ay plénipotentiaires ceux qui sont là pour régler les problèmes en cas de litige problèmes, problème amé, nous problèmes. régler problème problèmes. si du nit ñu les mandataires. mandataire mandataire bi dafay ñëw Nous plénipotentiaire bi ñëwal régler problème problème problème mon bureau de vote Nous ils sont à peu près 7 000. Nous multiplions par deux 000. 14 000 plus 30000 ça fait 48 000 personnes ban candidat nous avons am 48000 personnes. Vous représenter représenter ce bureau de vote Amoul. donc ça veut dire que dañu war dimbali nit ñi mooy candidat yi dinañu ut seen mandataire Si nous avons ay trou par exemple maa foire bureau de vote Il foire y en a plusieurs centre de vote de foire donc nous, par exemple si centre de vote de foire amna un ay bureau de vote amuñu fa à ce moment là nit yu vous inscrit de que foire ñooñu dañuy dugg ci base de données bi candidat gis ay nit yu nga ils sont prêts à aider donc ñoom dañuy contacter nit yooyu bu nit ñooyu d'accord représenter leen automatiquement ñooñu ñooy nekk les mandataires du candidat dans foire d'accord donc ça veut dire que nit yuy inscrit c'est les gens yu nga xam ils sont prêts à aider pour la traçabilité traçabilité ça ne veut pas dire da ngay far wala doo far mun nga far fu la neex mais dañu bëgg traçabilité du vote sincérité du vote donc nous, on appelle ñun le F24 on appelle à toutes les personnes qui ont envie aujourd'hui d'être des volontaires de nous envoyer, euh, de nous répondre par email, de communiquer un email. faut que xam dañuy jox seen c'est numéro d'identification. nous c'est numéro de téléphone automatiquement et faut que nous fan la code Il nga que nous nous ku leen soxla candidat yi dina leen contacter nous dinañu une base de données pour inscrire leen si le bureau de vote vous ñuy euh, ñu gis ne élection bi daanaka lu ci euh, ñu pour ñu egg si euh, bëreetul ndaxte dèjà am ngeen commencé ngeen am ay nit ñu nga xamante ne manifesté wu nañu ngir wane ne rek ñoom bëgg nañ. absolument man bu may ñëw sax si taxi bi fii boo bëggee ma wan la ko j'ai cinq personnes ñu ma envoyé leur email cinq personnes c'est pourtant communiqué bi mu ngi génn à peine à midi ou une heure si taxi bi bu may ñëw fii j'ai déjà cinq personnes ñu ma envoyé seen email je dois les inscrire c'est-à-dire même yéen mi fii bu leen neexee ngeen inscrire peut-être que da ngeen def rôle de journaliste le jour des élections mais ku fi am jot mun nga inscrire fu nga dëkk nga ne man mun naa fi jàppale nit fii fu ma dëkk bu dee am na tant de bureau de vote ñoom dinañ la contacter boo leen d'accord ici, bureau de vote bi yow code bu ngay recevoir moo lay permettre nga dem inscrire ci bureau de vote fu ngeen nekk d'accord pour que nga représenter ko foofu ben mang la ko doon laajte euh, suñu euh, interview ba lee passé ndaxte euh, ñi nga xamante ñom ñoo wara a def liggéey bu ñu mel fokk ñu former leen wala fokk ñu tàggat leen. Hmm. ci li nga xamante mom moom di logiciel bi ñu mel est-ce que yéen jot ngeen former ñi ñu yoon wala yéen nga ngi bàyyi xel par rapport ak li nga xamante ne ngeen war a dundee. Hmm, ñu ci siy xel parce que réserviste yi mooy nit yu nga xamné ne volontaires yi. inscrire nañu ci base de données bi bës bu ñu nekkee ci bureau de vote bi amna na liggéey bu ñu war def liggéey bu ñu war def moi, il surveille votre vie mais en même temps, à la fin, ce qui est le plus important, le PVI Si ko signé parce que représentant représentants, signer, signé Le PV PV quatre pages là, moi, daf photo page 1, page 2, page 3, page 4. Beaucoup ko photo par code code bureau voilà les résultats bureau B. ce qui fait que le préfet vous comptabiliser au-dessus du département bureau de vote nous ñun que bureau de vote bi lu fi donc mënul wax parce que dinañu am copie effectivement nous avons nañu ko mais c'est à partir du 30 à partir du 30 janvier le 24 février objectif moyen formation mais actuellement entre le 15 janvier et le 30 janvier objectif moyen remplir base de données pourquoi parce que mandataire, il y a une liste mandataire, au plus tard le 30 au plus tard le 30 janvier il y a une liste mandataire. donc objectif est avoir le maximum de personnes pour pouvoir être présent partout après les dinañ informés, former objectif deuxième objectif entre le 1er février et le 23 février ou le 24 février on va se donner les moyens de les former par plusieurs euh, possibilités Nous par des partie vidéo audio intervention formation sur place nous avons parce que on donc il faut nous former partout dans le monde partout dans le Sénégal on doit former les gens. est-ce que a un appareil téléphone qui permettre d'envoyer envoyer image ou pas c'est important parce que si amul téléphone un téléphone qui envoyer eh ben on a un problème donc loolu est d'accord Nancy, mais dans un premier temps nous avons un maximum de, personnes qui nous permettent d'être présents dans tous les bureaux de vote. Présence dans tous les bureaux de vote, ça veut dire gérer à peu près 50 000 personnes. 50 000 personnes, il y a eu, nous avons eu, nous avons eu, nous avons eu, nous avons sur la avons eu, nous avons eu, un etc. Donc ce qui nous avons c'est la première expérience bu ñuy expérience bii ñuy def c'est la première fois parce que joy bi dafa bëri Oui de ñu sàcc Oui de am ay bureau fictif dans yo il faut que nous de mu parce que Sénégal on war na dépasser stade bob comme que Macky Sall l'élection, que élection bi ni gérer que son ministre alors que son ministre fait partie de son parti donc nécessairement euh, de am euh, dañu am euh, comme quoi suñu xalaat day ñaaw dal ñu koy gérer donc à partir de là c'est obligé ñu def liggéey bi c'est est lu tax ñuy def liggéey bi liggéey bi mooy le véritable travail citoyen il faut que sénégalais yi xam seen vote su waree jàll yoon ñoom ñoo ko war a xeex c' pas les gens de l'extérieur, extérieur communauté économique européenne et tout ça là di envoyer ay délégation tout ça di xool nu mu demee ñooñu ñëpp c' est du flafla fla

Euh, bokk na ci li nga xamante ne moom moo di euh, commentaire yi ñu bëri ci askan wi doon laajte bu ñu defoon suñu première émission bi ñu doon leen laajte par rapport ak li nga xamante ne moom moo di seen euh, fichier maanaam seen fichier bi nga xamante moom ngeen yor ak bi état bi yor wala li nga xamante moom moo di administration yor ñu bëri doon laajte est-ce que fichier bi ngeen yor ak bële c'est compatible est-ce que yéen a ngi bàyyi xel ci loolu itam wala yéen a ngi réclamer fichier bële bu ko defee ngeen mën a def texte bi ba xam ndax ñaar yooyu noonu c'est compatible <laughs> Nous bëgg tout tontu la fichier bi ñun mënuñu ko am F24 on n'est pas reconnu on n'est pas candidat amuñu dara bu ñu demee laaj fichier bi kenn du ñu ko jox fichier bi normalement su ñu euh, le processus électoral le code électoral dañ ko wara jox candidat yi normalement le fichier les candidats doivent l'avoir. mais F24 amna ay candidats yu nga xamante voilà mais léegi suñ ko waree jot ci candidats yi donc ñun on soutient les candidats yu xeex pour jot fichier bi. Nous, on soutient ce combat là mais nous, on espère avoir le fichier au travers des candidats Si nous au travers des candidats on travaillera avec le fichier qu'on a actuellement mënuñu def c'est-à-dire que peut-être que à une étude Google nous sommes mandataire demain peut-être qu'ils sont en dehors du fichier le ministre le ministre va pas les accepter le ministre de l'Intérieur c'est possible mais on ne peut pas faire autrement on a besoin d'un fichier de travail donc fichier 2012 2022 les sous candidat yi 24 e réussir am fichier bi dañ sans problème mais aujourd'hui c'est inadmissible c'est vraiment inadmissible moi je lance un appel à l'État du Sénégal que nous recisez Ce hein, n'est c'est pas normal que nous war une élection sans que candidat ait un fichier ce n'est pas normal le code électoral est très clair loolu moo tax toutes les personnes nous nga xam ne dañ leen sàcc parrainage bi parce que parrainage bi leerul ñëpp xam nous demul yoon donc toutes ces personnes qui ont été éliminées de façon inadmissible et anormale doivent venir rejoindre ce combat là waruñu toog seen kër ne rek way ba revenir rejoindre ce combat là pour la traçabilité des élections pour que ku fi élire première chose vous nous changer moi le principe des des des parrainages nous que si c'est un principe moyenâgeux c'est un principe d'élimination de candidats c'est pas un principe de filtre ah mooy Madame boo bëggee saboter élection ni nga koy ni ko Macky Sall defee donc il faut qu'aujourd'hui euh, nit yu nga xam dañ leen éliminer injustement nous ni continuer la bagarre que leurs militants viennent s'inscrire en masse comme des, des, gens qui vont venir, des volontaires qui vont venir s'inscrire et que candidats yi jël pour que nous remplissions le bureau de voiture. c'est ça le travail citoyen. bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo di euh, taskatu xibaar yi ndax ña dañuy jouer ñoom itam rôle bu am solo ci li nga xamante ne moom moo di mbirum élection est-ce que ci seen euh, formation bi wala ñi nga xamante ne ñoom ngeen war a former par rapport ak FISA bi est-ce que boole ngeen ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo di journalistes journalistes mais évidemment ñun bu ñuy former di ngeen nekk au courant ñun on a besoin de la courroie de transmission journalistique aujourd'hui si nous avons une vision véritable ouverture par exemple si nous avons une fii nous may def c'est très bien parce que communiqué bi à 14h y a un modèle à 15h donc il y ñuy dimbali donc visibilité c'est au travers de vous donc non seulement vous devez voir le système mais il y a ñu système donc on a besoin de votre présence on a besoin que vous participez donc nous, ñu mun def au courant la euh, première fois bi nga ñëwone fini, ni euh, fichier bi yaa doon wax euh, France ngeen ko testé bi testé ngeen Sénégal lan résultat par rapport ak li nga test bi ngeen def fi ci Sénégal. non test bu ñu def fi dañu dem si yenn candidat yi ñom ñu duggal sen mandataire yi sen mandataire remonté ay données ñu xol est-ce que données yi remonté jot nañ ça a marché impeccable c'est-à-dire que mandataires nous est donné mais faut que nous nous sachions am na ay mandataires yu nga xam téléphones où c'est pas possible d'envoyer des images Nous, à Dakar bon ça nous paraît fou quoi que nga un téléphone mënoo des image mais dans la dans les les les, villages reculés avons un téléphone nous nga xam des da donc il faut que nous réglions donc mandataires euh, qui, les plénipotentiaires des partis politiques euh, responsables du département, ils vont s'arranger à ce que les gens qui sont dans les bureaux de vote qui doivent remonter au minimum ils mun un téléphone c'est le travail des partis et des candidats quoi qui sont présents Nous, on peut pas on peut pas euh, donner euh, fournir un téléphone aux gens mais nécessairement on doit y travailler. Mm-hmm.

amuñu temps xeex ko amuñu temps xeex parrainage bi boo si demul doo dem c'est ñoom ñëpp dañu bëggoon présenter aux élections présidentielles kooku on l'a compris ñooñu bu ñu duggee si biir dugguñu parce que dafa leer dañu dugg ne am na ay insuffisance yu graaw a graaw mais mënuñu bàyyi mu demee nii c'est vrai que noonu la demee ñu dugg si ils ont ils ont vu ñoom lu ñu gis gis nañ ko c'est-à-dire que lu ñu doon wax gis nañ ko tamit mooy mooy système bi leerul c'est pas clair du tout da ngay ñëw ñu jël sa sa sa fichier Excel dugal ko et puis travailler ko génneel la ne la baxo alors ce fichier xamo lan len siy def d'accord loolu waruñu ko woon d'accord mais boo si ul tamit mun nañ la dakh ne la doo c'est-à-dire que système bi c'était au départ tout le monde xam nañu que système parrainage baaxul ñu si ñep le fay neex régime bi wala régime bi dafa ne y un pourcentage bu may baye mu jàll ñooñu ñoy c'est ça la question c'est que nous, le système ils ont raison ceux qui ont été éliminés là continuent du ko ils ont raison moi je soutiens ce combat là mais en même temps nous nous toog ci combat boobu rek la traçabilité parce que nous, mu il y a 21 candidats à ce jour peut-être que conseil conseil d'éliminer encore d'autres personnes mais en tout cas nous mu munti élection comme élection de Fouara, nous avons un rôle non seulement soutenir ñuy actuellement mais travailler aussi à ce que les gens qui resteront pour participer aux élections que nous. Nous devons en sorte que euh, au minimum l'État du Sénégal le euh, l'élection euh, élection faire en sorte que remontée données soient les plus traçables possibles c'est pour ça que on est dans des doubles combats mooy madame Tay, dañuy euh, l'élimination de certaines personnes, mais en même temps, on prépare les élections par rapport à ceux qui sont là. Non, Quand Macky Sall a, emprisonné plus de 1500 personnes, parce que de faire ne nit yi génn si aujourd'hui on est en prison tu prends ñoom Sane toutes ces toutes ces personnes là et ils sont en prison c'est d'où leen nous ñu tant que élections yi jeexul tant que élections yi jeexul xam nga loolu yëfu pourtant mais beaucoup de partis politiques beaucoup de candidats à ce moment-là disaient non nous du ñu parce que fait permettre à Macky Sall reporter l'élection. donc ils ont continué dans les élections nous on a mené le combat des prisonniers c'est comme maintenant on continue le, combat pour euh, les élections traçables et on les soutient aussi dans le combat qu'ils mènent contre leur élimination dans le parrainage à chaque fois il bi plusieurs axes axe bu am ñun ñu jox ko ben ñu luñ cëraloonu ci euh, waxtu jeex na xanaa ma bàyyi la rek nga daal di euh, tëjee euh, li nga xamante ne moom nga bëgg a wax pour ñu tëj émission bi. jërëjëf donc maa lay remercier encore si vraiment plateau bi nga ñu permettre pour que ñu am visibilité lu may expliquer nit ñi mooy vraiment F24 tey dafa invité sénégalais yi boo leen bëggee tey. suñu élection traçable boo leen bëggee suñu remontée données yi mooy maanaam votu sénégalais yi kenn mun ko yàq kenn mun ko changer il faut objectivement participer candidat et ñoom nous nous sécuriser remonter des données yi may wax des données moy buñu xasse bo ba présent ci bureau de vote Yep, c'est on a 17 000 bureaux de vote depuis 2022 donc 2024 peut-être qu'on peut aller à 20 000 même bureaux de vote bon bureau de vote il faut que ñu au minimum un représentant dans chaque bureau de vote représentant représentants dinañ ko pour que mu remonter données Sur su amul téléphone bu baax essayer mu am téléphone bu baax su plusieurs dans un bureau de vote c'est pas grave ku nekk di am code ku ko il faut objectivement remonter remonter données Si su ñu remonter wul données yi du baax élection législative à un moment donné l'opposition avait presque la majorité quand ils ont vu ça dans la nuit ils se sont arrangés dans certaines zones frontalières pour augmenter bourrer les urnes et nous nous prouver comme ça parce que pourquoi parce qu'on n'était pas présent PV nous du signé donc PV nous signé le soir nous union ils ont besoin de 10 000 voix Nous changer PV bi signé pour que voye ñu c'est dossier Munda c'est ça la question donc c'est pour ça que non seulement il faut préserver au niveau des frontières les allers-retours des gens qui peuvent effectivement euh, trafiquer le vote mais en plus, il faut aujourd'hui, si nous votez pareil, signer PVI, il faut PVI mouniek au niveau du département. La meilleure façon de le faire, c'est par euh, système information, vous nous mettre en place, des photo 4 pages mouillées, responsable yëpp dinañ ko jot responsable candidat yëpp dinañ ko jot bu ñu nekkee en face fu ñuy war dépouiller pour compter ñoom dinañu xam bureau bi li mo fi xew voilà le PV qui a été signé donc préfet bi bu indé beneen chiffre duñ ko nongu parce que signature yaa ni. mais soo indiwul lolu so né man sama way li la ma wax amoo preuve préfet bi du la faale donc c'est important ñu am donné yoyu il faut que sénégalais bu bëgg c'est bu bëgg vraiment que vote bi jàll yoon war nañu dimbali ci lolu ñun rek ko mun def te si système bi nous ñu le fu nga far laaju ñu le fu nga far laaju ñu kan ngay soutenir laaju ñu tu es là-bas pour faire un travail d'intérêt général un travail citoyen Là, c'est lay logiciel pour nga faire, dañ lay NIN c'est ce numéro d'identification pour voir est-ce que mandataire parce que si tu n'es pas dans le fichier tu peux pas Tu as le numéro de téléphone pour ñu mun le contacter et dañ lay laaj fan nga est-ce que foofu laaj naa la ko faral laajuma la ko faral laajuma la ko faral faralal ku la neex bu la neexee nga faral sax Macky Sall mun nga faral Macky Sall toog ne man résultat yi dama bëgg mu yéeg mun nga faral Macky Sall nga toog ne résultat yi dama bëgg mu correct parce que y a des gens yu faral Macky Sall Macky Sall mais si yoon bëgguñu ñu sàcc élection yi donc ku bëgg tey élection traçable ñu bañ ko sàcc quel que soit ce candidat quel que soit ce candidat war nga bokk ci système bi nga nekk involontaire euh, merci beaucoup merci euh, beaucoup Ben ñu leen jaajëfa yéen tamit suñu mbokk internet yi euh, ñu amone nak mbégte dal koy dalal ci suñu plateau bi moom Aboubacar Benzoum ñu leen di jox dig dajé ci yeen jotaa xibaar inshallah ci Kéwoulo TV